nous dans un campement. Passez vous présenter ben villa bu bes. Fi moy euh, villa Ndey Fatwa hein, dans un campement île du Salou. 2 heures de Dakar, 30 km de Joal Fadjout. Piscine bi 14 m 30 sur 6 m 20. En profondeur maximum 1 m 50. Dañ am salon ci bir def ci ben table à manger bu Bâtiment bi mu ngi def 4 chambres climatisées avec leur salle de bain. Bouga def balade en bateau, da ngay ñew villa Ndey Fatou. ñu yóbbu la ci biir mangrove yi yóbbu la découvrir ay ay ay ay mystères yoo xam ne mosoo koo gis. parce que tout droit final Babou Faye Ndangaan wala campement wala kër gi jàpp Mercedes bu sumloog Mercedes moo nu woon gannaaw Babou moom lan jàkkaarloo moom mooy borom jëm lu ñuul rek ci ngoor mi njaam Mercedes takk na Babou eh, Mercedes daan na ko Mercedes ba gaaw